bis bi moom suñu bis la parce que Eileen moom fii suñu suñu bërëb la daal fii euh, moom euh, defe naa ouverture restaurant bi lañ doon xaar yàgg nañ ko xaar euh, parce que yàgg nañ fi ñëw yàgg nañ fi def ay événements yu si mel ne ay ubuntu meetup yàgg nañ fi def ay rendez-vous d'affaires yàgg nañ fi loge également di fi indi suñuy gan Eileen defe naa li ma koy woowee Sénégal en miniature la boo fi ñëwee da ngay fekk sa bopp lépp ngay gis sa bopp si cadre bi si décor bi si accueil bi si si dalalin bi si lépp waaw da nga fi fekk sa gars yi itam nag waaw. Euh, li ma gën a neex si Iline bi c'est que déjà concept bi déjà concept bi dafa nekk benn espace bu nga xamante ni boo fi ñëwee si décor bi d'abord euh, day valoriser génie génie sénégalais parce que boo xoolee meubles yi design yi nga fi fekk yëpp ay ndaw Sénégal ñoo ko defar ça c'est déjà une chose en plus concept bi concept espace bu nga xamante ni espace de coworking la business hôtel yàgg ñu di ko gis tu vois donc boo ñëwee fii euh, doo dépayser wu parce que souvent balnéaire la gars yi di gën a def si si cadre humain, mais tey fii fi ñëwé da ngay gis coloration locale bu forte point d'ancrage et puis c'est ouvert en plus euh, accueil bi accueil bi moom macha da je trouve que ça se passe bien il y a l'ambiance est là c'est calme c'est relax et on sent bien là. je trouve que c'est un cadre magnifique que on a la possibilité de s'épanouir, de travailler en même temps et c'est super. Je m'appelle euh, Jeanne et aujourd'hui je suis à l'hôtel Iliins et on est très très bien accueillis et les gens sont très sympathiques, très professionnels et pour l'instant tout se passe bien donc euh, je vous le recommande. Hein? Hein? Non, DG non DG euh, vous le sentez. Hein, donc opening day bi ah euh, ça s'est passé dans les normes comme le euh, Covid l'a mesures barrières ça a été respecté et que le cadre est vraiment convivial euh, def une visite aussi au niveau des des chambres aussi gis une une prestation de service et c'est ce qu'ils sont c'est ce sont prêts à faire pour les clients de l'extérieur ainsi que les clients de l'hôtel aussi donc vraiment c'est une diversité de gamme et on, est là, on attend euh, les mets pour voir euh, les saveurs, éventuellement pour avoir euh, d'autres sensations, quoi, côté culinaire. Voilà, on est là. <laughs> non, je suis Bambara, quoi. <laughs> Opening day ah, ça s'est passé dans les normes comme le Covid mesures barrières ça a été respecté et que le cadre est vraiment convivial. Euh, def une visite aussi au niveau des des chambres aussi euh, gis nañu prestation de services et c'est ce qu'ils sont euh, c'est ce sont prêts à faire pour les clients de l'extérieur ainsi que les clients de l'hôtel aussi donc vraiment c'est une diversité de gamme et on, on est là, on attend les mains pour voir les saveurs, éventuellement pour avoir d'autres sensations quoi, côté culinaire. Je trouve que c'est magnifique, c'est super bien organisé. Les chambres sont cosy, l'hôtel est calme, c'est vraiment très bien fait. Conviable, aimable et tout. J'aime les chambres. à l'aise et tout. En plus, euh, la décoration, elle est artistique. Voilà, c'est 100% voilà quoi, c'est naturel, on sent bien que l'africanité et tout est là. Et on est fiers de savoir que c'est pour un Sénégalais. Voilà. Of course. <laughs> oui. Comme que le Lenfinek, par exemple, les porteurs de voix et tous les acteurs, etc. Donc, c'est notre devoir de promouvoir à faire comprendre à travers les social media. On en avait besoin quoi, pour genre endroit bon secteur quoi franchement on est très on est très content. bien organisé franchement j'aime j'aime surtout l'accueil euh, elles sont très accueillantes et tout ça donc euh, zéro faute joli simple aéré et j'adore. En fait c'est aéré en plus euh, c'est trop simple tu vois ils nous ont bien accueillis et dalal nañu dal machallah donc euh, tranquille. alors euh, je sais pas trop enfin il y a pas trop une grande différence à part euh, la simplicité et voilà un beau décor. Eh, mais au gars rek ni len ñu ñëw Illine parce que fi ku fi ñëw defe naa doo ko bàyyi fi gis sa bopp. ah de venir visiter l'hôtel et y séjourner aussi. que Illine mo ngi fi et que voilà il y a pas meilleur que ñom ñëpp ñu ñëw fi waaw amul leneen. <laughs>